Bonjour. <clears throat> ok. Hmm. Bienvenue, installez-vous pour cette édition spéciale en direct du plus grand temple du savoir du Sénégal. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue à l'UCAD, parfois c'est comme Bagdad. Plein qui brûle, intifada, lacrymogène et barricade. La cité est malade et pour ne pas que ça s'aggrave, l'administration prend des mesures, mais ça se dégrade. L'étudiant a deux passions, c'est la grève et le pain. Pour l'obtenir, il est prêt à faire la grève de la faim. Mais trop de problèmes, tu le problème c'est ça le problème. Allons donc demander aux étudiants, c'est quoi leur problème Nous voici today à l'université chez Anta Diop de Dakar, où il y a beaucoup de blêmes à citer en cette année 2014. A ah À cause de ces nouvelles réformes. C'est-à-dire avec la hausse des inscriptions et de la suppression des bourses et des étudiants qui vivent maintenant sous pression, déception. On ne veut pas de police Sans dépression, une telle pression nous rend la vie plus dure et sans protection. À l'université, on fait la queue la con. Au niveau des restos, on trouve rien de bon. Tu ce qu'on commence et sans qualité. Du côté des logements, c'est la promiscuité. Pédagogiquement, les cours sont bâclés. Quand il s'agit d'un on reçoit une grande le manque d'amphi et nos bourses qui sont mortes. Ne t'étons pas que demain, l'administration nous ferme ses portes. Depuis l'installation des réformes universitaires, les cas devenu une garde de l'État par une police universitaire. Des étudiants sacrifiés, des bourses arrachées. C'est la misère au campus, c'est devenu une réalité. Au secours SOS étudiants, et info sans souci. Ils ont devenu des mendiants. Maintenant, nous tirons à la sonnette d'alarme. Regardez-les, regardez-les. Ces pauvres étudiants, les yeux remplis de larmes. De larmes. On nous dit que le système mais bien ficelé, que l'emploi est assuré avec une bonne formation. LMD rime pas avec massification, les étudiants se multiplient, il faut les engorger. Nous ne sommes pas contre, mais comment étudier On ne pige pas. Le LMD en fin de compte, tous les comptes sont dormants. Mais où sont les bourses effectuées les virements Parole des étudiants. Mais que pensent les Sénégalais de l'attitude des étudiants qui sont supposés être nos futurs dirigeants, mais qui cassent des bus chaque fois qu'ils sont mécontents, criant pour qu'on les entende, qu'après comme des enfants. Que nous soyons sages, restez sereins, gardez votre, votre conscience, tranquillité, surtout ne pas faire des bouquins, ne garde rien qui nous appartient dans notre pays. Un développement sénégalais, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Le Sénégal est, en rupture et c'est pas normal. Nous sommes un pays merveilleux, nous devons en en profondeur en moment, mais pas de faire un redressement. Comme donc c'est l'histoire gréviste-là, c'est l'histoire riposte-là, c'est l'histoire euh, c'est là qu'il n'a même pas question qu'on achète dans notre nation. Parce que le pays se riposte, c'est parce qu'il y en a marre, il y en a marre. Quand on est en marre, on risque de, poser notre nez et de partir une bonne fois pour tout. L'éducation est le meilleur investissement d'une nation. Il est temps de trouver des solutions pour les prochaines générations. Ne zappez surtout pas. Le Wolof, c'est dans un instant l'information sans chichi. Le journal rappé, non, ne partez surtout pas. Le Wolof, c'est dans un moment la vraie info, c'est ici. Le journal ah, rappé. Amnen jage si leen déglu leen am nañ xibaar indi leen yi neex ya naqari waaye léppay jëm ci yéen koom-koom wér gi yaram mbay napp ak sàmm xiif lekk liggéey na am rek nit ñi nekk ci jàmm waaye balaa loole lépp réew a ngi am doole ci ndawam kattan wa seen yar ak seen jàng ñu dugg université xool nu étudiants yi toogee ñaxtu be grève yi lu ko soké réewande la dong wala nguur ge deful liko war lañ fay jàngale ndaxam doy na xam-xam ñi ko mar juroom ñetti fukki junni war lek war dekk ñi fi amuli mbokk yaakar ci bourse yu cëkk njàngum sénégal ku ko yàq ak num ko yaqé ay ca nettali la làmmiñu borom la dàqee alaykum li ci yene kay marhaban bikum ñi wax ci yene kay étudiant ye ngi joy sen xol a dem ba tooy réforme don doon xamb mo len gasul len ci kamb autorité yi ko don tomb ñoo leen nax jox leen i bomb ah. ndimbalu Ecobank étudiants yi dañoo banque carte gab yëpp lànk mun a tuñu dem duus ndax lekk yi guus ba fi may wax ak yéen ñoom ñëpp a takk kuus <laughs> takk kuus kay allos kayti mbelax déggatuma graissement baaflu amphi jàpp texloo ma junni étudiant ci classe foog nga gaaw pour am place am ñu toog ci derby fak bango amul jai classe tap ci dëkkuwaay yi ak tilim duché raw canal pakatas ci negi yi couloir yi exil camp pénal la ca teen ba dëgg ñi amul bac la mais ya ca resto ñu koy dund ñi am bac la def seen yëf si pet ne étudiant bi signé lool réel yi bañ ba dekkee ñu jël fekki signé lool dañuy buux li ñu sañu bëgg a yëkk li ñu jëlee boole duuf na ni yëkk aj bari inscription ñu jaaxle patiné ñi ñu dagg seeni bourse master doo fi continuer ha police universitaire note étudiant mu terre njëkke injustice viole franchise universitaire ñaari ji nekk fukk ak ñaar sénégalais bindal wax ji dolli yaar étudiant bi bindal jële nañ fi si toor indil ñu jub saar mel lan ni def na ñu toor du lii la ñu doon xaar toj cinq pavillon tabaxuñu benn tey ñu ngi violon mënuñu si lenn lekk ñu naan nañu ñu ngi dem en fait théâtre amuñu fu ñu toog taxaw ni kuy théâtre dëgg la waaye foog ñu laaj mbedd mi seen xalaat ci étudiants yi yàq gi suñu grève war nañ ko xoolaat bon c'est pas normal ñuy lakk bus c'est pas normal parce que di seen alal xëy na tamit si bus rek la ñu xam naa bu doon nit sax ñu jàpp si nit <laughs> te en otage ah ñoom ñoo ko yàq tey le lendemain ñoom ñoo koy jëlaat ñoom ñoo ciy duggaat pour dem doxi seen soxla li leen di ñaax mooy ñu bàyyi oui, n'y grève, d'accord, même grève, c'est une grève, mais ils n'ont pas à casser des bus ou bien foutre la merde dans le pays. C'est pas du tout normal. Bon, la bus, ça, c'est pas normal, quoi. vaut mieux nous réclamer mais pas pas question de la bus parce que bus ñun pas, c'est pour les Sénégalais.